Espace Femmes. Espace Femme « 18h15 à Niamey et ses environs. Fidèles auditeurs des programmes du studio Kalangou, bienvenue au forum Espace Femmes. L'espace femme est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des auditrices. Vous êtes invité à témoigner largement sur notre numéro WhatsApp au 80 06 88 54. Pour la première fois au Niger, nombreux sont les jeunes qui se présentent aux élections de 2020-2021. La vie politique au Niger est à la fois marquée par des élections démocratiques et des régimes de transition militaire. Durant tous ces régimes, les jeunes, surtout les filles, ont toujours apporté leur contribution dans le processus démocratique et le développement du pays. Cependant, leurs problèmes ne sont toujours pas pris en compte par les dirigeants politiques et du coup, ces derniers se lancent dans ce processus dans le but de défendre leurs droits et celui de leurs consorts. Femmes et élections, l'engagement de la jeune fille dans la politique, motivation et difficulté. Pourquoi les jeunes filles s'intéressent-elles à la politique Pourquoi tant de jeunes filles dans les élections cette année que dans les années antérieures Pour mieux cerner la situation, afin de savoir les raisons qui ont poussé les jeunes filles à intégrer la politique, nous avons comme invité dans ce studio Mahaman Awal, association de jeunes politologues AJDP, Fatouma Sahabi, présidente du parti PPAN Africa, Didi Adam, membre du OJT du PNDS Taraya. Merci donc à nos invités, merci d'être venus dans ce forum. Nous allons commencer cette discussion par vous, Didi Adama, membre du OJT du PNDS Tareya. Faites-nous la situation de la participation de la jeune fille dans le processus électoral 2020-2021. Bonsoir à tous. La, participation de la jeune fille en politique euh, pour cette phase de 2020-2021, je dirais qu'elle est, participative, elle est massive. Mm-hmm surtout à l'intérieur du pays. Je venais d'un voyage dans la région de Maradi. J'ai participé au retrait des cartes de lecteurs et j'ai vraiment, j'étais super contente de voir que les jeunes filles se sont engagées et à participer au vote cette année. Mohamed Naawal, vous êtes de l'Association des jeunes politologues. Faites-nous donc euh, brièvement la situation de la participation de la jeune fille dans le processus électoral 2020-2021. Oui, euh, d'abord, euh, bonsoir et merci pour cette invitation. Oui, la situation euh, de participation de la jeune fille euh, ou de la femme en général au Niger, cela elle est vraiment très effective parce qu'au mm-hmm. que euh, au Niger seulement, il suffit de voir le nombre de femmes qui se sont enrôlées, mm-hmm. qui sont largement supérieures au nombre d'hommes qui sont enrôlés. Mm-hmm. Et cela s'explique parce que cette tendance a pris un peu un aspect pas que national, mais international il y a des résolutions des Nations Unies allant dans les tests communautaires et même euh, dans les tests internes de l'État qui, mhm. euh, à travers euh, l'aspect de quotas, a montré vraiment que la femme mhm. mérite sa place dans la politique. Mhm. Et cela s'est fait, comme je le disais tantôt précédemment, par plusieurs aspects euh, d'effectivité qu'on a pu recenser et à travers aussi euh, euh, le nombre de femmes qui sont candidates dans les différentes élections. Mm. à part notamment l'élection présidentielle où mm-hmm. cette fois-ci on n'a mm-hmm. pas eu une femme leader, mais mm-hmm. sinon cela elle est quand même effective et c'est quelque chose vraiment à saluer. Madame Fatouma Sahabi, quelle appréciation faites-vous de la participation de la jeune fille dans le processus électoral 2020-2021 euh, merci Fatih de me donner cette opportunité de m'exprimer sur la participation politique des femmes euh, au Niger. Comme l'a dit Mahama Awal, pour 2020-2021, c'est vraiment exceptionnel euh, mhm. cette participation des femmes. Mhm. Il y a de plus en plus de femmes qui ont compris que elles doivent s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Cette année, elles sont nombreuses à se présenter pour les élections locales et les élections mhm. législatives. Et c'est une bonne chose parce que les femmes ont compris qu'elles ne doivent plus accepter d'être considérées comme du bétail électoral comme mhm. ça se faisait avant. On n'appelle les femmes que pour euh, danser, pour faire sortir leurs sœurs femmes de, chez elles et venir participer. Et après, bon, elles sont oubliées. Mhm. Maintenant, elles ont compris qu'elles doivent s'impliquer pour imposer le changement. Et c'est ça qui, fait l'exception de 2020-2021. Euh, tout à l'heure, euh, Awol avait parlé de, la loi sur le quota. Euh, pour moi, la loi sur le quota, c'est juste pour endormir la femme. <laughs> C'est juste pour endormir la femme mhm. dans son élan, dans son combat de, pour l'égalité. Mhm. Et pourquoi La loi sur le quota, en fait, dans son fondement même, mhm. c'est pas dit que c'est uniquement pour les femmes. Certaines femmes se sont accaparées pour dire que bon, non, le quota c'est pour les femmes, on mhm. doit bénéficier de tel pourcentage. Non, non, non, non. C'est y compris les hommes. Mhm. Les 50%, c'est soit les hommes sont, ont 25%, les femmes ont les 75 ou c'est combien, je ne sais pas. Ou c'est les femmes qui ont les 25, les hommes ont les 25. Donc ça s'impose pour les deux cas. Mais pour cette année, nous, ce qu'on voudrait faire, mhm. ce qu'on souhaite que les femmes fassent, c'est d'imposer le changement, y compris au niveau des communes, mais aussi au niveau de l'Assemblée. Mhm. Il suffit de voir, euh, pendant l'élaboration du budget national, la question du genre ou la question de la jeunesse n'est jamais pris en mhm. compte dans le budget national. Or, on n'a pas les mêmes besoins. On a beau crier, mais rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc, il nous faut siéger au niveau de l'Assemblée mhm. pour pouvoir imposer ce changement-là afin de faire en sorte que la question jarre, la question de la jeunesse soit prise en compte. Je reviens donc vers euh, vous, euh, Didi Adam. Vous avez donc euh, sans doute suivi vos collègues par rapport donc à la situation de la participation des femmes dans le processus électoral. Est-ce que vous avez donc quelque chose à ajouter? Bon, parlant du quota de la femme, quand on parle du quota, mhm du côté de la femme, on s'adresse uniquement à la femme. Mhm. Le quota, elle est, elle est réservée uniquement à la femme. Mhm. Donc, euh, à nous. Si nous voyons toutefois que cette, le quota-là qui est accordé aux femmes ne correspond pas au taux mhm. qu'on avait envisagé, qu'on nous accorde, on peut toutefois se battre. Se battre et avoir l'égalité des quotas entre hommes et femmes, c'est-à-dire les 50-50. Et selon vous, euh, pourquoi aujourd'hui les jeunes filles euh, s'intéressent-elles euh, à la politique au Niger Bon, selon moi et à mon humble envie, j'ai compris que les jeunes filles ne veulent plus qu'on les considère comme des, filles, hum. qu'on amène pour des, festivités. Oui les cérémonies, des filles qu'on utilise pour des fins festives. Mhm. Mhm. Lorsqu'elle elle a parlé de quotas, les le quota est réservé pour la femme, mhm. c'est-à-dire les 25%. Le les 25% là qui sont réservés pour la femme, on peut toutefois améliorer dans le combat, crier pour qu'on ait les mêmes 50-50 et, aussi faire prévaloir la participation de la jeune fille dans les instances décisionnelles du et des partis politiques. Selon vous, les jeunes filles euh, s'intéressent aujourd'hui à, la politique Oui, selon moi et à mon humble avis, les jeunes filles se sont engagées pour faire la politique parce qu'elles ne supportent plus d'être utilisées pour des fins festives mhm. euh, et pour quelques miettes que <laughs> Mahaman Awal, pourquoi aujourd'hui euh, les jeunes filles euh, s'intéressent-elles à la politique au Niger Oui, euh, pourquoi les jeunes filles s'intéressent à la politique au Niger Avant d'arriver à la question, j'aimerais aussi un peu m'impliquer sur la question de quota. Mhm. Parce que le quota, certes, c'est une partie réservée aux femmes, 25%, qui est à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces 25% de femmes C'est parce que les femmes elles-mêmes ne sont pas impliquées dans la politique. Donc on ne peut pas vous donner un quota et qu'il n'y a pas assez de femmes pour venir mm-hmm. remplir le quota. Euh, on ne va pas laisser quand même les places vides parce que c'est réservé aux femmes. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il faut maintenant remplis parce que ce sont des sièges à remplir. Maintenant, revenons à la question euh, pourquoi les femmes s'intéressent aujourd'hui à la politique, notamment les jeunes. Euh, cette question, euh, je pense que cette question, elle est évidente parce que aujourd'hui, la femme n'est plus ce qu'elle était. Les sociétés ont changé, le monde a changé, que ce soit en Amérique, en Occident et même chez nous ici en Afrique. Mhm. Les mentalités ont évolué. Mhm. La femme ne veut plus être cet objet qu'on regardait autrefois, mhm. ou bien eh, elle, ne veut plus maintenant occuper la seconde place. Hein. parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes capables. Ou bien, euh, je peux, si je peux me permettre, il y a des femmes qui mhm. sont plus que capables. Mhm. Exactement. Je pense que c'est dans cette vision, parce qu'elles se sentent capables, elles se sentent impliquées dans la gestion du pays, elles se sentent citoyennes aujourd'hui. Cela implique le fait qu'elles sont, euh, elles veulent se faire représenter et voilà pourquoi elles se sont intéressées à la politique. Euh, <coughs> mhm. pourquoi aujourd'hui les jeunes filles s'intéressent à la politique euh, En fait, pour moi, les filles ont conscience de leur nombre au plan national et international nous sommes près de, 51% de, la population. Mmh. Euh, aucun développement, à mon humble avis, ne peut être envisagé sans pour autant qu'il y ait la participation de cette euh, frange euh, majeure de la, population. Donc elles ont pris conscience de leur nombre et elles veulent que dorénavant on compte avec elles. Mmh. C'est surtout ça. Merci. je reviens vers Didier. Didi Adam. Mm. C'est ça, non, Didi Adam, Quels sont les problèmes que rencontrent les jeunes euh, au sein de votre euh, structure politique Merci pour cette question qui me tient à cœur. Parce que, franchement, nous, au PNDS d'Area, on, ne rencontre aucun problème, autant pour moi. Mm-hmm. On est vraiment dans les instances décisionnelles des structures du parti politique mhm. parce que moi personnellement, je fais partie du secrétariat affaires académiques et scolaires du Bureau national de l'OJT. Mhm. Je suis du secrétariat communication du Bureau fédéral. Je suis présidente de mon quartier, présidente des Roses de mon quartier. Et je suis jeune, je suis une fille, je ne suis pas mariée. Mhm. Donc ça veut dire que la jeune fille est mieux, mieux écoutée, mhm. mieux représentée au sein du PNDS Tareya. Et est-ce que les préoccupations des jeunes euh, sont prises en compte euh, au sein de votre parti Oui, vous l'avez vu, notre directeur de campagne, est jeune. Mhm. Et, les, et, ceux qui les ont succédés sont aussi jeunes. Mhm. Donc ça veut dire que les, les, occupations des jeunes sont, sont prises en compte. au sein du PNDS Tareya. Quelles sont les actions donc menées par euh, votre parti pour euh, amener les jeunes à s'intéresser davantage à, la politique Merci. On a l'habitude de faire des, conférences qu'on appelle université d'été. Mhm. Ça aussi, ça encourage la jeunesse à venir vers nous mhm. parce que c'est une formation mhm. qui est spécialement dédiée à la jeunesse. C'est un surplus aussi. Fatouma, je reviens vers vous et euh, vous êtes la représentante euh, du parti euh, PPAN Ifriqia À votre avis, les jeunes filles sont-elles aptes à s'impliquer dans la politique Votre question a sa réponse dans <laughs> votre première question. Les jeunes filles, comme l'a dit Maman Lawal, les jeunes filles sont aptes parce qu'elles sont capables. Mhm. Elles ont étudié, sont commerçantes. Même une jeune fille qui n'a jamais été à l'école et qui est dans un ménage, la manière dont elle arrive à gérer son foyer, elle peut être une bonne manageuse dans un parti politique. Chacun a sa place. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles ont compris. Mhm. Elles doivent, elles ont compris qu'elles doivent s'impliquer. Elles ont compris qu'elles ont leur place dans les partis, mais aussi dans les instances décisionnelles de l'État. Pas du parti seulement. Pas du parti seulement. Mhm. Et c'est ce qui a fait que ces derniers temps, on constate une fougue de ces jeunes filles-là mhm. à adhérer à certaines partis politiques mhm. jusqu'à même à se porter candidate. Elles ont compris qu'elles ont leur place. Les difficultés, ça ne manque pas. Les difficultés, ça ne manque pas, et surtout venant de la gente masculine. Mhm. Parce que bon, nous considèrent comme, euh, nous considèrent plutôt comme euh, leur rival. Mhm. Euh, or non, on doit s'unir main dans la main uniquement pour le développement de ce pays-là. Mhm. Et les difficultés que les jeunes filles ou les jeunes femmes rencontrent dans certains partis, c'est surtout lors des réunions. Les grandes décisions sont prises tardivement, la nuit. Oui Or, une jeune femme ne peut pas rester jusqu'à une certaine heure dehors. Non seulement tu as peut-être laissé un nouveau bébé à la maison, mhm. dont tu dois retourner t'en occuper, mais aussi, même si maintenant les gens commencent à comprendre, en fait, la plupart des filles qui s'intéressent à, à la politique sont considérées comme étant de mœurs légères. Dès qu'on dit une telle faire de la politique, on dit ah ça y est, ça veut dire qu'elle s'est pervertie, un truc comme ça, et ça décourage certains parents à mhm. accepter que leur fille euh, fasse de la politique. Et que doivent faire euh, donc concrètement les jeunes femmes pour que leurs préoccupations soient euh, donc prises en compte On doit se battre. Mm. On doit se battre. Rien ne peut être acquis juste comme ça gratuitement. Non, seul le combat, seul le combat peut nous libérer. Ça, je le dis. Seul le combat peut nous libérer. Mais même le combat, faisons-le de façon intellectuelle, pas mhm. venir euh, faire la bagarre. Non, il faut montrer que nous sommes capables. Il faut montrer que nous sommes prêtes mhm. pour le changement. Mhm. Nous sommes prêtes à être impliqués dans la gestion de la chose publique. C'est ça que nous devrions prouver. Et nous devrions aussi prouver que ce n'est pas parce que je fais de la politique que je, mets ma dignité et mon honneur à nu. Mm. Non, on doit rester des femmes dignes et penser aussi que nous avons l'honneur de notre famille sur notre tête qu'on doit préserver. merci euh, Fatouma. Monsieur Mamanawal, est-ce que vous avez donc euh, des compléments par rapport à ce qu'ils ont dit Bon, des compléments, hmm. je n'en aurai pas parce que chacune d'elles euh, sont euh, dans deux euh, structures différentes et chacun a avancé ses arguments. Mhm. Et moi, si le faille que je parle, je vais plutôt m'apaisanter sur un aspect général de la société. Déjà que nous sommes une association indépendante et à but non lucratif, association mhm. l'association des jeunes diplomates et politologues au Niger mhm comme euh, euh, difficulté que je, on pourrait euh, énumérer ici ce qu'il y a de notre part, que mhm. rencontrent les jeunes en général, dont bien sûr les femmes sont majoritaires ici au Niger, c'est d'abord la difficulté, elles, ne sont pas, ou bien les jeunes ne sont pas acceptés dans la société. Mhm. On ne les fait pas assez confiance et les postes de responsabilité ne les sont pas assez confiés. Mhm parce qu'on se dit qu'ils sont jeunes et, ils ne savent pas ce qu'ils ils font, mhm. ou bien ils sont poussés encore par certains esprits enfantins, je ne sais pas. Mhm. Or, c'est comme je le disais tantôt, l'air a changé. Mhm. Nous sommes dans une génération aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la génération euh, passée. la preuve en est qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont au devant de toutes les scènes. Tout mouvement politique, ce sont des jeunes. Et parlant des jeunes, là, je parle de la femme. C'est pourquoi dans notre pays aujourd'hui, on constate vraiment ce boom de femmes. Et, la preuve en est, dans cette salle, je suis le seul. <laughs> Suivons donc à présent les témoignages recueillis par nos correspondants. De nos jours, ce sont uniquement les vieillards qui sont au niveau de la politique. et les vieillards qui commandent tout. Les jeunes ne se sont pas approchés des vieillards pour qu'ils puissent euh, apprendre comment agir alors que les jeunes, eux aussi, ils peuvent tout faire. Mais maintenant, les VR les regardent comme si ils ne savent rien, ne peuvent rien faire à leur absence. Les jeunes, vraiment, je les encourage. C'est mauvais. Ça montre notre incapacité à sanctionner les délits qui sont liés au processus électoral. On ne peut pas permettre à tout un chacun de se lancer dans des propagandes, campagnes politiques à tout moment. Et je fais partie de ceux qui défendent le rajeunissement politique de notre pays nous sommes persuadés qu'il faudrait laisser la place à la jeunesse. Est-ce pour autant une raison pour laisser ou bien pour choisir tout jeune, même s'il ne peut pas apporter, en tout cas un plus à la politique nigérienne Si on est jeune, on doit d'abord connaître les champs politiques, on doit l'explorer. Et malheureusement, quand on regarde notre, la configuration politique de notre pays actuel, c'est comme si la jeunesse se lance seulement dans la politique sans pour autant en amont essayer de comprendre Mm-hmm. cette politique. Il est extrêmement difficile de juger, par exemple, la compétence de la jeunesse parce qu'on n'a pas vu concrètement la jeunesse agir. Mais ce n'est pas n'importe quel jeune qui mérite d'être au pouvoir. La jeunesse constitue en tout cas plus de 90% de la population nigérienne. Cela montre, cela prouve que la majorité de la population nigérienne est la jeunesse. Alors pourquoi cette jeunesse est bafouée Pourquoi cette jeunesse est oubliée quand vous remarquez, au Niger, nous avons plus de 40 ministres. Parmi ces ministres, il y a un jeune qui a moins de 40 ans. Il y a ceux qui ont plus de 60 ans. J'ai décidé, de faire la politique autrement, c'est-à-dire la politique qui est connue par tous avant. Moi, j'ai jugé utile de ne pas faire ça. Cette politique, euh, qui n'est rien d'autre que de venir distribuer des 1000 francs et 500, aller créer et voter pour euh, vendre ta dignité, alors que nous savons tous, le vote est un devoir et aussi un droit. Vous venez là donc de suivre le témoignage euh, de quelques jeunes recueillis par nos correspondants relativement à la participation des jeunes dans le processus électoral. Madame Didi Adama, quelles sont les opportunités offertes aux jeunes filles au sein de votre parti politique Je venais de vous dire ça. Les opportunités, elles sont nombreuses. Et on nous, on nous accorde de participer à des formations internationales et nationales aussi. Mhm. On n'attend pas que... Parce qu'il y a des partis où quand il y a des opportunités de ce genre, euh, ils, font directement appel à leurs parents ou amis, alors qu'il y a des jeunes filles qui militent au sein du parti. Et nous, au PNDS, ce n'est pas le cas. J'ai participé à plusieurs formations politiques à l'échelle internationale. Et dans les années antérieures, euh, les jeunes, euh, généralement, les filles euh, en particulier sont utilisées dans la politique au moment des campagnes électorales. Euh, qu'en est-il donc euh, pour ces élections à venir pour, ces, élections à venir, ce ça ne serait pas le cas mm. parce que nous avons vu qu'il y a des femmes et des jeunes filles qui sont candidates aux, élections municipales et législatives, surtout dans la région d'Agadez. Mm-hmm. Et c'est un surplus pour nous tous. Et quelles sont les raisons qui ont poussé donc à ne plus participer à la euh, danse des politiciens Oui, on a, on a compris que faire, euh, faire de la politique, c'est un droit et un devoir. Tout citoyen a le droit de faire la politique. Mhm. Quand on fait de la politique, il faut, il faut se dire que ce n'est pas pour acquérir des biens matériels. Mhm. On peut faire la politique pour envisager de contribuer au développement du pays. Mhm. Oui. Aujourd'hui, si les jeunes filles occupent des places de responsabilité, quelles seront les opportunités je, me mets à, la place de ces jeunes filles-là. Je, parle sous leur contrôle. Mhm. si aujourd'hui j'occupe une place de responsabilité, je veux promouvoir la voix de la jeune fille. Mhm. Tout simplement. <laughs> Merci. Euh, parce que la voix de la jeune fille est sous-entendue. Mm-hmm. Tout à fait, Merci, monsieur, madame euh, Didier Adam. Euh, monsieur Mohamed Association l'association des jeunes diplomates et politologues du Niger. Les jeunes sont accusés d'aimer trop la facilité. Quels sont les enjeux de ce genre de situation pour les jeunes filles en particulier eh ben, Les jeunes sont poussés à aimer la facilité. Mm-hmm. Quels sont les enjeux et déjà là, il faut euh, notifier un fait d'abord. C'est que euh, tout le monde est impliqué dans la gestion du pays. Mhm. Le fait de faire la politique, on ne saurait faire la politique avec un parti mhm. ou bien avec une structure, que ce soit de vieillards ou bien d'enfants. Mhm. C'est de mettre les deux ou bien de jumeler tout. Tout le monde doit être concerné dans, ce qui a, euh, dans ce qui a lieu à faire. Mm-hmm. Et votre question, je reviens, c'est que euh, les jeunes rencontrent des difficultés, c'est ça Oui. Je disais donc, les jeunes sont accusés d'aimer trop la, facilité. oui. Quels sont les enjeux de ce genre de situation, surtout pour les jeunes filles Exactement. Ces gens-là dont je voulais en venir, qui accusent les jeunes à vouloir la facilité, oui. Euh, pour moi, je ne pense pas que les jeunes euh, aujourd'hui veulent la facilité. Mhm. Les jeunes aujourd'hui, ils sont juste conscients mhm. du droit et du devoir qu'ils ont pour le pays. Mhm. Et pourquoi ils se, sont, ils se sentent tant impliqués et que pour les autres, c'est de la facilité C'est parce qu'il y a un problème. Si on indexe l'autre, c'est parce qu'il y a un problème. Et d'où vient le problème Il y a peut-être quelquefois une mauvaise gouvernance mhm. ou bien il y a quelque part l'absence de l'État. Parce que quand je dis absence de l'État aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire mhm. Peut-être l'absence de l'État, le simple fait de vouloir aujourd'hui euh, légaliser quelque chose et que c'est notifié que c'est gratuit et que tu pas, tu te rends compte que ce c'est pas gratuit, ou bien juste le fait de vouloir un acte de naissance et que on, on, te, on te donne toute une procédure à suivre, tout, tout, tout. Cela, c'est de, l'absence de l'État, parce que mhm. l'État doit être présent, l'État doit être au cœur de tout citoyen. Si aujourd'hui, les jeunes, ou bien certains indexent les jeunes d'avoir la facilité, moi, je vais répondre que c'est juste des jeunes qui sont conscients aujourd'hui et qui savent d'où ils viennent et où ils veulent aller. Mhm. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui sont autant impliqués. Et ces gens-là qui indexent les jeunes, pour moi, c'est juste des gens qui se sentent un peu menacés. Mhm. Donc, euh, <laughs> je ne sais pas. Et quel regard faites-vous de l'engagement des jeunes dans, euh, dans les compétitions électorales Oui, euh, le regard que j'ai fait des jeunes, mm. effectivement, c'est qu'aujourd'hui, les, gens, nous les jeunes sont effectifs, mm-hmm. sont représentés, mm-hmm. mais suffit-il juste de la quantité Mais non, nous voulons aussi de la qualité. Parce que aujourd'hui, les jeunes du moins ce que moi je connais, si aujourd'hui nous sommes là pour parler, c'est parce que les jeunes sont capables et ils savent qu'ils peuvent. Mhm. C'est justement ça. Et quel changement les jeunes élus peuvent apporter à leurs sœurs euh, si elles arrivent à être élues et voilà, parce que euh, <laughs> la femme, elle est celle qui comprend mieux la femme, même si <laughs> parfois elles sont entre femmes toujours en conflit, euh, je ne sais pas. Mais je pense que la femme, c'est comme le disait tantôt euh, la mm-hmm. camarade du PNDS, c'est qu'elle va faire la promotion de la femme. Mm-hmm. Mais là, n'est-ce pas une marginalisation aussi, mettre toujours la femme dans la femme Oui. <laughs> Positif Bon, on, on, accepte cela. Parce que la femme, pour moi, elle est celle-là qui est attentive et mm-hmm. qui sait ce qu'elle veut c'est cet être qui est sensible, qui est sérieuse. Mhm. Et vraiment, pour moi, je pense que la femme, euh, elle serait idéale vraiment à faire, à faire promouvoir la femme elle-même d'abord. Merci, Maman Suivant à présent le portrait de Madame Kadaure Rachida Maman Nassamou, jeune femme députée. Hajia Rachida, elle est diplômée en communication. Elle est directrice de sa propre entreprise de communication et fait aussi du commerce. Elle s'est lancée dans la politique depuis six mois. Écoutez ses motivations et les défis auxquels elle fait face. La femme a toujours joué un rôle prépondérant dans la vie politique de notre pays. Aujourd'hui encore, sa participation n'est pas de la moindre importance. Alors, en tant que femme leader, il fallait se battre pour une bonne assise politique et est vrai aussi pour la rendre véritable. J'entends par là notre implication sans être utilisée il fallait qu'on ait une bonne assise politique féminine et aussi œuvrer pour la rendre véritable. La première difficulté qu'on rencontre, souci financier le financement des activités de part et d'autre. Il faut soutenir les femmes, leurs activités qu'elles mènent sur le terrain, répondre. Très souvent, tout est basé sur de l'argent. Son épouse lui témoigne tout son soutien pour mener à bien ses activités. Cette appréciation ne peut que être positive partant du fait que moi-même je suis un homme politique et que euh, je ne souhaiterais pas quand même que mon engagement politique soit dépourvu du soutien de mon épouse. Donc, euh, raison pour laquelle c'est moi-même qui l'ai invité à prendre part à la vie politique euh, afin d'organiser la gente féminine autour de notre euh, projet de société. Et par la grâce de Dieu, elle est en train de me surprendre euh, agréablement par son implication, par son engagement, malgré qu'elle n'a pas un passé politique particulièrement bien garni. Quoi. Je ne peux que la soutenir dans cet engagement que le soutien, qu'il soit moral, euh, financier, euh, matériel, euh, c'est quelque chose qui ne souffrira d'aucune ambiguïté. Quoi. Un autre soutien de taille dont bénéficie Haji Arashida, celui de son père, El Haj Mohamedou Nassam. Lorsque Rachida voulait déposer sa candidature aux élections législatives, elle nous a avisé. Nous avons dit que c'est une bonne chose et nous l'avons encouragée. Puis nous allons faire de tout notre mieux pour la soutenir, notamment à travers la campagne. Nous irons à la rencontre de la population de la zone où elle pense avoir l'électorat, comme nous connaissons les gens pour battre campagne, afin qu'elle puisse réaliser son rêve, Inch'Allah. La participation de cette femme vient confirmer l'intérêt des jeunes et des femmes pour la politique au Niger. Vous venez là donc de suivre le portrait de Madame Kadaure Rachida Maman Nassamou, jeune femme députée. Je vais faire donc le tour du table. Madame Fatouma Sahabi, comment réagissez-vous par rapport donc à cet élément que nous venons de suivre euh, C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Euh, la participation politique de la femme euh, à a quelque chose euh, d'exceptionnel par rapport à l'homme parce mm. que la femme, elle est un, sous l'autorité de ses parents jusqu'au mariage et deux, après le mariage, sous l'autorité de son mari. Il n'y a rien que la femme peut entreprendre sans avoir l'accord et la bénédiction de ses mm. parents et de son mari. Et ce sont nos premiers soutiens. Ce sont nos premiers soutiens. Parce que tant qu'ils ne nous soutiennent pas, on sera tout le temps dans des difficultés. Et c'est une bonne chose que Rachida allait de soutien de ses parents mm-hmm. et de son mari. Mm-hmm. Ce qu'elle doit faire, c'est surtout au niveau de l'Assemblée, si elle arrive, euh, parce qu'une fois élue, on doit être au-dessus du parti normalement. Elle doit se battre pour l'intérêt de la femme, quelle qu'en soit sa coloration politique, le combat, c'est pour la femme et par la femme. Mm-hmm. C'est ça qu'elle doit faire. Et non le combat pour mon parti une fois à l'Assemblée, le parti ne compte plus. C'est le Niger et uniquement le Niger. Monsieur Maman Awal oui, euh, déjà le parcours euh, de cette euh, dame, vraiment, c'est un parcours extraordinaire parce que allant de l'entrepreneuriat où elle disait qu'elle dirige, elle est à la tête d'une entreprise et par la suite c'est son mari qui a eu confiance en elle, qui l'a invité à, qui cette chance-là. Exactement, c'est mhm. pour cela que j'ai traité son cas d'extraordinaire et que mhm. son mari, euh, qui l'a impliqué dans la politique et mhm. qui se dit lui-même surpris par euh, euh, euh, l'engagement politique de sa femme mhm. et aussi son papa qui est derrière elle avec les bénédictions, avec son accord aussi. Mhm. Vraiment, tout ce que je, je, je, peux ajouter, c'est que je, je, souhaite une très belle carrière. Mhm. <laughs> J'ai confiance qu'elle va en arriver. C'est un exemple à suivre. Exactement. les, les, hommes surtout hein, <laughs> doivent donner, laisser leurs femmes faire. Didier Adam, moi, ce que je veux ajouter, d'abord, Rachida, c'est une amie. Oui. Rien hier, en correspondait, c'est une femme combative. Mhm. Elle a l'amour euh, de faire émerger le pays. Mhm. Et surtout, moi, ce qui m'a émerveillée, c'est le soutien de son mari. Côté de sa belle famille, il y a des belles familles qui peuvent s'opposer mhm. à son implication dans la sphère politique. Et tel n'était pas le cas. Elle a eu le soutien de son mari et de sa belle famille, et surtout de son papa. Donc c'est une très belle chose. Nos parents ont pu prendre conscience. Euh, et quels sont vos conseils et suggestions pour que les jeunes engagés de la politique continuent de préserver afin de mieux prendre en charge les problèmes des jeunes en général et des jeunes filles en particulier Et moi, mon seul conseil à l'endroit de la jeune fille, qu'elle ne se laisse pas intimider. Qu'elle ne se laisse pas intimider et être des proies faciles. On peut faire la politique tout en gardant sa dignité. C'est tel est mon, conseil. Sahabi, vos conseils et suggestions euh, Le conseil que je peux donner aux jeunes quant à leur implication politique, c'est de foncer, de s'imposer et surtout de savoir ce qu'ils veulent exactement. Mhm. Parce que étant jeune, quand tu commences très tôt la politique, tu as plus d'opportunités et tu mhm. as, euh, comment dire, tu as plus d'ambition. Mhm. Que les jeunes aient des ambitions constructives pour le développement durable de notre pays et non pas euh, des ambitions pécuniaires. Mhm. Euh, que j'ai un poste ministériel juste pour euh, avoir des milliards dans mon compte bancaire, c'est pas ça le projet des jeunes. Les jeunes pour eux maintenant, c'est la politique autrement. Mhm. développer notre pays parce que c'est nous qui sommes, nous avons toujours dit, nous sommes l'avenir de ce pays-là. Donc, ayons des ambitions de développement, surtout la jeune fille. Mhm. Rien ne peut se faire sans notre participation effective. Donc, ayons des ambitions de développement. Et comme l'a dit ma sœur, gardons notre dignité dans ce noble combat. Mhm. Inch'Allah. Merci, euh, <laughs> Fatouma. Nous sommes donc à la fin de ce forum euh, sur femmes et élections, l'engagement de la jeune fille dans la politique, motivation et difficultés. Vous avez suivi l'intervention de nos invités par rapport à ce sujet. Vous avez suivi le rôle des jeunes dans le processus électoral. Il y a eu des avancées significatives euh, ces dernières années, mais beaucoup reste à faire pour que l'émergence de ces jeunes soit effective sur le plan euh, politique au Niger. Nous étions en compagnie de Lawal Association des jeunes diplomates et politologues du Niger. Fatouma Sahabi, présidente du parti. Fatouma présidente du parti Ifriqiya et Didi Adama, membre du OJT Itareya. Merci donc à, nos invités. Place maintenant à notre rubrique affairage, communément appelée Eloti affairage, affairage, affairage, affairage. China China, Mon non. Mais où es-tu Mais il est où ah, ah. Attends, je vais voir dehors. Hé, hey, Suleiman, viens. Tu n'as pas vu China J'ai vu un homme venu dans un grand véhicule entrer dans votre maison avec des sachets noirs à main et ressortir avec China. Ils sont partis dans cette direction. Un homme <laughs> <laughs> Mon Dieu, je suis foutue. Oui, oh Allah. Subhanallah. Bonjour, voisine. Qu'est-ce qui se passe <laughs> Mais dis-moi ce qui se passe. <laughs> Quelqu'un a volé mon enfant. mon fils unique. Mon china. Mais comment ça quelqu'un a volé ton enfant Tu étais où <laughs> J'étais chez Hajia Hawa, la présidente des femmes, pour accueillir la visite du président du parti Kamajiki. Donc j'ai laissé China devant la télé. <laughs> Maintenant de retour, Suleiman me dit qu'un homme est venu le prendre dans une voiture. Je ne sais même pas de qui il s'agit. <laughs> Toi aussi, Hajara, tu es vraiment négligente. Comment est-ce que tu peux laisser un enfant de 5 ans seul de la maison et partir je ne sais où en cette période où on arrache des enfants au dos de leur mère, toi tu me dis que tu l'as laissé seule à la maison. <laughs> je suis morte. Que dois-je faire Donc je ne verrai plus mon enfant. <laughs> calme-toi, calme-toi. Avec l'aide de Dieu, on peut le retrouver, Inch'Allah. Mais comment Prends sa photo et allons au commissariat pour déclarer sa disparition. Mais à quoi ça sert de déclarer c'est juste les papiers. Ils pourront rien faire pour moi. Mais si, mais si, c'est très important. Ils mettront des patrouilles dans la ville et des contrôles aux frontières au cas où ces hommes essaient de sortir hors du pays avec l'enfant. N'oublie pas la chose la plus importante, hein, la religion. On va faire aussi appel à des marabouts pour la lecture du Coran aussi. Et Inch'Allah, China reviendra à la maison. Calme-toi. Ok, allons-y. J'ai ces photos dans mon portable. Hajia, voilà le véhicule qui est parti avec China. Alhamdulillah, mais c'est son oncle, les frères à son papa. Son oncle, son papa, au prend garde d'eux. Et si c'était un voleur qui est parti avec China Hum, voisine, ça là, c'est une leçon. Jamais plus jamais je ne veux laisser mon enfant seul à la maison. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi des femmes qui laissent leur enfant se balader dans les rues seules dans la journée, ou bien les envoyer chez le boutiquier du quartier en pleine nuit, ou voir un enfant de CICP ou CE1 qui revient de l'école seul. Imagine, ça c'est les exposer gratuitement. Tobarka, qu'Allah nous préserve. Amin, amin, ma chérie. Hey, tu es où Viens, je vais même te mettre au dos. Qu'est-ce que j'allais dire à ton papa <laughs> que tu étais partie chez Aja ou la présidente des femmes Kamajiki. Hey Voisine Tu veux qu'il me chasse de chez lui hmm. En plus, il ne veut même pas que j'ai fréquente cette femme. Voilà. <laughs> Apparemment, il a raison. <laughs> Vous venez là donc de suivre notre rubrique affirage, communément appelée Eloti quelle est votre réaction par rapport donc à, cette rubrique à euh, Monsieur bah, les femmes, euh, elles sont négligentes. Hein. <laughs> elle a été négligente, elle a laissé l'enfant errer. Donc, euh, heureusement que ça, lui a servi de mm. leçon et <laughs> que ça ne se répète plus. <laughs> en Didier Et, moi, ce que je veux dire, c'est des situations qui peuvent toutefois arriver dans la vie. Mm-hmm. Donc, euh, pour ne pas que ça se reproduise, il doit créer les conditions, soit amener les enfants chez leurs grands-parents mhm. ou bien les confier à des cousines ou tantes. Ils sont proches de la maison. Mm. Et surtout qu'elle est partie à une rencontre d'un <laughs> politique. C'est ça. <laughs> Pas tout ça, Oui, bon, moi je suis pas d'accord avec ce que Maman a dit, que les femmes sont <laughs> négligentes, parce que bon, euh, l'éducation de l'enfant, ce n'est pas uniquement la femme. Prendre soin de l'enfant, ce n'est pas uniquement la femme. Si aujourd'hui, mais même à la maison, si aujourd'hui la femme a une réunion politique, mm si l'homme est à la maison, mais au lieu d'aller à Safada, il peut rester garder l'enfant jusqu'au retour de sa femme. Pourquoi pas Peut-être même qu'il avait refusé et qu'il est parti à Safada. Pour lui, bon, euh, euh, la prise en charge de l'enfant incombe seulement à la femme. Et tu vois, au vu de toutes ces situations-là, je pense que seule vraiment l'implication des femmes mhm peut apporter un changement au plan national dans notre pays. Euh, imaginez une femme fonctionnaire euh, qui part au service et qui laisse son enfant sous les soins d'une bonne. Tu ne sais pas comment ton enfant est, voilà, comment on s'occupe de, de, cet enfant-là, qu'est-ce qu'on lui mhm. fait manger à, ton absence. Tout ça, c'est des difficultés. Mais si les femmes s'impliquent dans les instances de décision, on peut s'unir et imposer que l'État fasse des crèches au niveau des services une femme qui a un bébé et qui lui fait euh, l'allaitement exclusif, mais tu pars au service de 7h30 à, 17h. Comment tu peux faire un allaitement exclusif à ton enfant Tu vas lui donner du lait. le lait, dès que tu lui donnes le lait, ça ne devient plus exclusif. Mais s'il y a une crèche, tu amènes ton enfant. À l'heure de l'allaiter, tu dans descends. Les il y a des heures d'allaitement. La femme peut aller allaiter son Jusqu'à la maison, les maisons sont éloignées. des fois, tu peux faire 20 km de ton service à chez toi. Vous voyez Mais en ayant une mhm. crèche, au niveau des services, mhm. ça rassure plus la maman. Et ça peut lui permettre d'être vraiment posée euh, dans son travail et bien travailler parce qu'elle sait qu'elle a son enfant à côté d'elle et en sécurité. voyez et c'est sur cette rubrique Affirage que s'achève euh, ce forum euh, Espace Femmes. Merci de l'avoir euh, suivi. Le programme continue sur le studio Kalango. Au revoir. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme.